mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu mbokki presse bi maa ngi di nuyu bu itamit yu na position en tant que candidate à l'élection présidentielle et membre du fonds pour les candidats à cette élection présidentielle muy FC 25 ginnaaw bi ñu waxtaanee ci suñu biir Nous décider nous ñun benn carte de l'année moom demuñu ci euh, invitation bi nga xamantene président Macky Sall néna mom daf koy woté li tax duñu ci dem leer na ndaxte jàpp nañu daf ñoo wo pour wané né wala jéem wané wane opposition bi juboowut té opposition bi àndut motax tax ñun dañoo àndandoo né ko déet dañoo andando ci benn say né ko déedéet monsieur le président Macky Sall li nga ñu ak ni nga ñu ci woowee mënuñu la ci wuyu ndaxte nag cër biñ la jox respect biñ la jox en tant que chef de l'État et président de la République du Sénégal ñi ngi ñaan nga delloo ko ak candidat yi nga xamante conseil constitutionnel tan, décider finalement ne ñii ñooy les dix candidats yi war élection présidentielle ngeen waxtaanee benn poñ bi nga xam ne loolu rek

bi ginnaaw bi loolu jàllee ñun amuñu luñuy waxtaan ak yaw mbir moomu leer na waxoon nañ la ko kérok wax nañ ko ci ay communiqué te dinañ ko waxat tay le seul dialogue qui vaut te ñun dialogue boobu la gëm te dinañ ko def le front des candidats à l'élection présidentielle va tenir le vrai dialogue c'est le dialogue avec le peuple sénégalais et inshallah allahu rabi pendant que yaa jema jéem une opposition au sein de l'opposition nous, nous allons montrer une unité nationale. Manteur vu que duñu tassé ci dialogue ba ñu décidé né une lettre ouverte adressée au président Macky Sall monsieur le président Macky Sall au nom des principes qui ont guidé la révolution du peuple au nom de la liberté et de la dignité que chaque Sénégalais mérite je m'adresse à vous la voix du peuple, trop longtemps étouffée, résonne à travers mes mots et doit impérativement être écoutée. Votre récente intervention, qui a traversé l'heure sans toucher le cœur de notre unique préoccupation, c'est-à-dire la date de notre élection présidentielle, révèle une trahison des espoirs et des rêves d'un peuple assoiffé de justice et de vérité. En faisant du dilatoire, vous avez non seulement reporté un événement crucial et important, mais aussi suspendu l'espoir de toute une nation et de toute la jeunesse sénégalaise. La souffrance du peuple est réelle, elle est palpable et elle ne peut être ignorée. Cette attente interminable pour une date d'élection présidentielle, c'est l'avenir de la nation qui se trouve en suspens, prise en otage par une politique de division et une politique de procrastination. La demande d'un consensus pour fixer cette date est devenue un leurre, Monsieur le Président de la République, une chimère insaisissable, creusant un fossé entre les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel et ceux qui se, qui se sentent déniés, exacerbant la fracture au sein de notre peuple. Cette division semble servir une stratégie de domination plutôt qu'une quête de vérité et de véritable leadership. La situation actuelle est d'une gravité extrême. Vous annoncez la fin de votre mandat avec la promesse d'un départ pour ensuite, Monsieur le Président de la République, nous plonger dans l'incertitude de vos intentions réelles. Ce jeu de dupes rappelant Squid Games, rappelle les dystopies les plus sombres où le sort des nombreux est joué par les quelques-uns. Le fait de faire miroiter la libération de leaders politiques après des années de confrontation ayant engendré autant de morts, autant de destruction de biens publics et privés et une colère populaire est présenté aujourd'hui comme une main tendue mais cette réconciliation, Monsieur le Président de la République, est-elle sincère Ou n'est-elle encore là une fois une manœuvre politique Qui doit pardonner à qui, Monsieur le Président de la République Et quelles sont les motivations cachées derrière cette proposition de loi d'amnistie Et d'ailleurs, qui en a le plus besoin, Monsieur le Président de la République vous ne pouvez prendre en otage le peuple sénégalais. Monsieur le Président, la fin de votre mandat, la fin de, votre, de ce scénario est déjà écrite et il est impératif de dire la vérité au peuple sénégalais sans plus les berner. La politique politicienne doit cesser. Elle a déjà trop coûté à notre pays et à notre peuple. La responsabilité de la situation actuelle vous incombe entièrement. La crise, cette crise qui se déploie suite à la remise en question de la liste des candidats officiellement validée par le Conseil constitutionnel le 20 février 2024 et de votre fait, Monsieur le Président de la République. Le respect du Sénégal et le respect de ses institutions n'est pas une option, mais une obligation. Vous semblez oublier, Monsieur le Président, que la politique est au service du peuple et non l'inverse. La vraie liberté vient à ceux qui luttent, pas à ceux qui calculent. Aujourd'hui, je vous demande de choisir la voie de la vérité, la voie de la transparence et enfin la voie du dévouement au peuple sénégalais. Monsieur le Président de la République, nous rejetons <coughs> catégoriquement le simulacre de dialogue ce soi-disant dialogue qui, est une atteinte à notre intelligence, à l'intelligence du peuple sénégalais et une tentative désespérée de maintenir le statu quo en dépit des aspirations légitimes du peuple pour un véritable changement. Nous refusons de participer à une mascarade qui ne vise qu'à légitimer un pouvoir défaillant et à perpétuer les injustices. Quand je serai, Inch'Allah, à la tête de notre nation, je ferai du dialogue national une priorité dès les premiers jours. Et ça, les autres candidats ici présents, quel que soit le candidat que le Sénégal choisira, fera également de cette question une priorité. La démocratie ne se négocie pas. Elle se vit, elle se pratique chaque jour avec honneur et avec intégrité. Le Sénégal mérite une démocratie vivante, où chaque citoyen est entendu, où chaque voix compte, nous méritons un avenir construit sur l'intégrité, sur la justice et sur l'égalité. Il est temps de revenir aux fondamentaux qui font notre nation. L'unité, le travail et la dignité. 39 jours, 10 heures, 35 minutes, 24 secondes c'est le temps qu'il vous reste, Monsieur le Président, pour quitter le pouvoir dignement, avec respect pour le peuple sénégalais. Le compte à rebours a commencé. Le temps de la relève est arrivé.